devant l'abysse en elle. Devant l'abysse en elle, elle se tue. Devant l'abysse en elle qui reflétait un vide, un vide en elle, un vide autour. Devant l'abysse en elle, elle ne put s'empêcher de s'effacer. devant l'immense creux, devant l'abysse en elle, elle ne put s'empêcher d'arrêter d'exister. Elle ne put s'empêcher de, de s'effacer, de devenir ce fantôme d'elle-même, l'ombre d'elle-même, jusqu'au jour où peut-être la lumière revient. Mais jusque-là, devant l'abysse en elle, elle s'est tout simplement contentée de, de s'effacer, de se taire, de s'entasser, de ne plus exister, de ne plus se sentir vivre. Il s'est tout simplement s'est tout simplement senti absorbée par le décor, par ce décor qu'elle retrouvait en elle, jusqu'à ce qu'elle ne puisse même pas aller chercher refuge en elle, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Elle lut s'échapper, mais s'échapper de qui, de quoi, pour aller où mais elle dut le faire. Elle dut être arrachée de cet environnement. Elle dut s'asseoir avec une solitude si résonnante, si bruyante, avec une solitude si imprégnante Il est difficile de, de se dire, de s'imaginer que c'est cette étape-là, cette condition, ce passage de vie pourtant si dur qui aujourd'hui lui a permis d'une manière mystérieuse de mieux se retrouver. Il est difficile de s'imaginer que Plein de routes auraient pu se dessiner, plein d'issues à ces routes. Mais d'une manière magique, d'une manière méticuleuse et précise, la vie s'est arrangée et les chemins se sont arrangés, se sont croisés pour former ce qu'elle a connu de mieux jusque-là, c'est-à-dire elle-même. Elle, s'est connue à travers ce chemin, à travers <laughs> cette liaison, à travers cette connexion. De fil en aiguille, de pas à pas, de larme en larme. de rencontre en rencontre, de choix et décisions, de jour en jour. Chaque seconde lui rapprochait d'elle-même. Elle n'aurait jamais imaginé que ce jour viendrait, tellement que quand ce jour est venu, elle a juste trouvé ça normal. Ça faisait moins mal, certes. Mais je pense que dans sa tête, c'est tellement inimaginable que n'arrive même pas à savoir, à se souvenir que des jours plus sombres ont précédé. Elle n'arrive même pas à voir la lumière qui se trouve et qui s'est trouvée toujours en elle. tellement qu'elle n'arrive même pas à voir ce qu'il y a autour, ce qu'elle est devenue, comment elle s'est rencontrée, à quel point le passage était dur, à quel point c'était semé d'embûches, à quel point c'était à quel point c'était tout ce qu'elle avait connu jusque-là mais <laughs> c'est difficile, c'est difficile de s'en détacher. C'est difficile de se détacher de l'identité qu'on s'est construite à travers ces moments de, de ces moments sombres, ces moments d'incertitude et d'errance. C'est difficile de se dire que cette personne est partie. Mais partie où Où sont les personnes que nous étions avant, que nous en soyons là Reviendront-elles un jour Viendraient-elles nous montrer leur visage encore, leur manière de faire reviendront-elles un jour, tels des fantômes, nous, saluer, <laughs> voir comment, la vie se passe sans elles Est-ce qu'un jour, on arrivera à se défaire de ces personnes On arrivera à dénouer certaines choses Est-ce qu'un jour viendra où toutes ces identités cohabiteront ensemble ou ne deviendront qu'une ou ne laisseront place à plus rien Comment est-ce que ces rencontres se font Comment est-ce qu'on traite ceux qui sont comme nous ou en tout cas qui nous reflètent ce que nous étions avant Comment est-ce qu'on traite le nous d'avant quand on le rencontre Comment est-ce qu'on se traite sachant que nous ne sommes plus les mêmes personnes On dit que environnement sain s'efface. Un environnement où tout va bien ça s'efface, c'est comme si ça n'existait pas. On est plutôt à la recherche de ce qui dérange, de ce qui pollue, de, ce qui rend triste. C'est beaucoup plus ça qui est saillant, c'est beaucoup plus ça qu'on remarque. Donc en ce sens, est-ce qu'on deviendrait même pas nous-mêmes des êtres si sains qu'on n'existerait même plus à travers nos yeux. Et si on était si habitué à, nous voir dans cet abysse-là, jusqu'à ce que même lorsqu'on guérit de certaines choses, même lorsqu'on change, on n'arrive plus à, se reconnaître dans ce changement. Et si nous n'arrivions pas à sortir de cet abysse Et si Et si cet abysse n'a été que ce qu'on a connu jusque-là et que même s'il y a des lueurs, même s'il y a des faisceaux, pas en fin de compte, que tout se fasse dans l'abysse. devant l'abysse en elle. Elle fit demi-tour, revint devant l'abysse en elle. Elle lâcha ses armes, comme pour abdiquer, comme pour renoncer, renoncer se battre, peut-être même lâcher prise. et se fondre dans cet abysse. Peut-être d'une manière différente, mais à la fin c'est la même. C'est toujours l'abysse qui, prend le dessus.